la ñuy xeex réellement tey ñu ne la way Karim moo bokkul Karim moone ne moom double nationalité am renoncé na ko bien avant Karim moo Alassane Sall dañ ko pour mu def recours ci mom ah ñu ñëwaat assemblée nationale way ay ñun ñun nationale de corruption. alors c'est en fait lan alors c'est euh, commission d'enquête c'est clair. Euh, c'est ça la euh, réalité c'est clair enfin ñu gis ni ki le premier ministre justement Emmanuel Macron mais aussi mu la libération Ousmane Sonko jàpp na euh, euh, dina euh, dina libre bientôt exactement loolu tamit ban commentaire nga par rapport à li nga xamné que Maurice di sorti Juan Branco. écoutez Juan Branco avocat la Ousmane Sonko avocat la la avocat Ousmane Sonko. Hmm. il a plein droit de plaider pour Ousmane Sonko ñu ko. Hmm. il a plein droit. té man dama jàpp ni que bu Ousmane Sonko mais il est présumé innocent Juan Bouranko, su qu'on mu wax Ousmane Sonko il est présumé innocent. Hmm. parce que le ko c'est pas la diffamation avec Mambaya. <laughs> c'est pas c'est pas comment les huit contre non non c'est pas les. vol de téléphone vol de téléphone. Ah. ne <laughs> vol de téléphone parce que dafa nangu téléphone un agent de renseignement généraux moi je ne ñu pas ko mais Ousmane ko ci diffamation <laughs> diffamation bi taxul ñu ko conti comment dirais-je. Euh, à la jeunesse bon il a barricadé chez lui maintenant lu lu tax ñu ne Ousmane ne il est présumé innocent parce que avocat Ousmane Juan Branco il a plein droit de plaider pour la libération de son client il a plein droit. Mm. maintenant s'agissant de Gabriel Attal il faut que nous restions en dehors des élections au Sénégal la France n'a pas à nous choisir comment on va faire dans nos élections parce que on a une constitution et un conseil constitutionnel Vous nous respectez il faut respecter ses décisions respecter les décisions du conseil constitutionnel. Gabriel Attal il est français. il n'est pas sénégalais. je suis désolé. il est français il n'est pas sénégalais. donc il doit gérer les affaires de la France comme nous on gère nos affaires au Sénégal. un Sénégalais n'a pas à choisir la France de leurs élections. c'est comme dans ce, cette contexte que aussi un Français n'a pas droit à nous choisir dans nos élections au Sénégal. Mais avant, euh, participation Karim aussi nous réclamer certes.

de quoi défendre mais nañu ne Karim d'abord na ñibbisi ñom qui veulent être l'avocat du diable nañ ko ne mu ñibbisi d'abord bu fekkee lu muy wëy ni lu muy chanter tant sa patrie sénégalaise daf ko ñor na le combat se fait au Sénégal. mais enfin il a pris euh, de grosses décisions il n'y a pas mais renoncer une nationalité française. Karim la décision qu'il a prise beaucoup de Sénégalais ont pris des décisions plus, même importantes que la décision de Karim Des Sénégalais ont accepté d'être emprisonnés pour l'intérêt du pays. Des Sénégalais ont accepté d'être emprisonnés pour l'intérêt du pays. Et ils sont là. Et ils mènent leur combat ici, au Sénégal. man je je je respecte les sénégalais man compatriote sénégalais je ma damay gis ni man ne ma yeewee ko moo am courage ko mom tabit, man ma ci ay tolof tolof dina am courage japp ma c'est comme ça qu'on li ñuy de façon mutuelle et réciproque mais oui tu es au Sénégal tu veux être défendre l'indéfendable ah, dina woy Karim war nañ ko baye mu parce que bu démé ba sa nationalité et alors c'est Karim qui est le seul à renoncer sa nationalité moi j'avais une nationalité gambienne je l'ai renoncé pour être sénégalais mon papa est sénégalais ma maman est sénégalaise je suis né en Gambie mais j'ai renoncé ma nationalité gambienne et je ne suis pas le seul Beaucoup de, beaucoup de gens sénégalais, beaucoup de, citoyens sénégalais ont renoncé leur nationalité. Ou bien ils ont maintenu leur nationalité. Mais c'est ça, c'est pas... ça dit que le débat n'est pas là-bas. Le fait que Karim il a renoncé sa nationalité. Euh, euh, madame, non, non, non, non. Euh, il faut pas... parce que d'ara au la nationalité. arrêtez d'amener des confusions. Arrêtez d'amener des confusions les Sénégalais n'ont pas dit que Karim warul bokk parce que euh, dafa war dafa war euh, euh, renoncer sa nationalité française Mota tax bokkul déedéet waxuñu loolu de dañu mais loolu la dañu ne. conseil constitutionnel. Hmm. moo validé wul candidature Karim. parce que dafa yéex renoncer parce que dafa yéex a renoncer sa sa sa sa sa. ci déclaration d'honneur bi déclaration d'honneur bi. déedéet déedéet déedéet. Hmm. D'abord, wax lu en réalité ci affaire Karim c'est-à-dire que Karim a déposé à l'ambassade de Doha la l'ambassade française de Doha ni que moi dafa bëgg renoncer définitivement sa nationalité française à trois mois des élections à trois mois Le Karim déposé au niveau de l'ambassade française de Doha c'est-à-dire que la vérité le PDS ne dit pas les Sénégalais Je koy dire le PDS ne dira jamais cette vérité à l'Assemblée nationale. Mm, mm, mm. Moi, tax la c'est pas des députés. ñoom dañu fay nekk. di def baara de di choses, di akataccu <laughs> loolu la Assemblée nationale mais la vérité que le PDS devait dire les Sénégalais waxuñu ko. Karim a déposé à l'ambassade française de Doha à trois mois des élections ni moom mom Karim dafa bëgg renoncer définitivement sa nationalité française alors que Karim avait cinq ans pour faire césar césar de travail. Depuis les élections de 2019 2024, il y a 5 ans. Karim avait 5 ans normalement hmm. pour déposer à l'ambassade de Doha pour montrer traiter quoi, littéralement sa, sa renonce euh, par rapport à, euh, sa renonciation de, sa, nationalité. sa nationalité française. Mm. Defu à 3 mois des élections mu de l'ambassade française de Doha pour me renoncer la candidature mais c'est la nationalité si koy renoncent à un pays mais ça prend du temps ça prend du temps. c'est clair pour nous nous traiter l'état. l'état de cette renonciation. parce que dafa am y muy Dès day commencer ambassade française de Doha. Mm, mm. jusqu'au gouverneur. Mm, muy yéeg continuer jusqu'au sein du gouvernement premier ministre. balaa ñoom ñu jël alors c'est clair Karim si boppam mooy Mirem, il veut rejeter la faute à Thierno Alassane Sal. alors c'est clair Karim yéexal mbiram ba pare ñëw du coup rejeter Thierno Alassane Sal, qui est un député à l'Assemblée nationale. mu bëgg renoncer à jël la faute xëpp ko le conseil constitutionnel ba ñuy jiiñ tey ay magistrats de corruption alors que Karim mooy il ndey renoncé à temps il a passé combien de temps. 17 ans à mentir les Sénégalais. Karim, depuis quand l'année, Mom a renoncé à sa candidature Depuis 2017. Il a passé combien de temps à mentir sur sa nationalité, sa double nationalité Karim tey bëgg a jël loolu ko ay maysira ni ko dañ leen ger bëgg loolu tu ko xëpp Thierno Alassane Sall ne Amadou Ba moo fay pour que def recours ci Mom. te moi. Je que ni ya ce qu'on appelle l'article L28 boo xamante ne constitution Sénégal moi, je traite la la question des doubles nationalités pour nga pour nga ci élection présidentielle au Sénégal il faut être exclusivement exclusivement de nationalité sénégalaise l'article L28 de la constitution sénégalaise Karim il ko hop sénégalais yi ngeen ne loolu ngay gis ay ay ay journalistes melni Cheikh Yérim qui n'est même pas crédible hein, qui, que sa parole n'a aucune valeur dans ce pays ay melni ni Maïmouna Ndour Faye seytaane yooyu toog di naan wuy Karim bu demee ba renoncer sa nationalité française moy dañ ko wara a mu bok loolu lañu baye bàyyee nit mu bok te ay tiaxat ñu né dafa jël euh, hein? benn décision bu sacré ban eh, alors tous les candidats qui ont posé leur acte l'ont déposé leur dossier au niveau du conseil constitutionnel ont posé des actes forts tout le monde a posé des actes forts. Mais comment on peut dire oui Karim et laisser les autres Ousmane Sonko qui s'est sacrifié aujourd'hui et il est en prison. Karim moo Karim moo gën Bassirou Diomaye Faye parce que nous dañoo jàpp ni que nous seen xeex juste juridiquement lañ koy defee. Mm. pourquoi Karim tey moom jël musul buggul jël de yóbbu ko ci mbaxane fu mu doonee benn na beaucoup de cour suprême beaucoup de cour d'appel beaucoup ko tribunal de grande instance bu Dakar bu ko pourquoi Karim mënul def loolu. é Ousmane Sonko da nga mës a gis Ousmane Sonko bu gën a am major groupe parlementaire bu bu gën a fort sax bu bu waa PDS est-ce que mës nga ko gis mu dem mu dem assemblée nationale pour proposer un groupe parlementaire sur sa candidature mës nga ko gis. Hmm. Ousmane Sonko bu nekk ci kaso bi. mës nga ko gis mu mu inciter ses députés pour ñu dem sàkku ji pour ñu def. commission d' enquête ci sa candidature si si si député mi. dañu fal ba pare bàyyi leen seen sago. Sonko dafa leen fal ba pare ba pare bàyyi leen seen sago. c'est hmm, amul influence ci député là où que Macky Sall ne pouvait pas ne pouvait pas faire ça mënul def li fal ay député ba pare bàyyi leen ak sen sago